Donc, euh, bonjour, je salue tout le monde. Je m'appelle Masdien. Je suis le président des invalides militaires de la zone numéro 7, qui englobe euh, Thiès, Tiawan, et Djouba. Vous savez, vous savez que euh, l'invalide au Sénégal, surtout l'armée que nous représentons ici, est composé de toutes les forces de défense et de sécurité. Donc, euh, à l'intérieur de la situation, il y a des militaires, il y a des policiers, il y a des douaniers. Donc, à un moment donné, il fallait revoir la situation des invalides militaires. Le président Macky Sall, dans son souhait, peut-être dans, sa, dans son profond intérieur, a voulu peut-être, peut-être pas dédommager, mais apporter un appui aux invalides alors il avait fait une promesse. Il nous avait demandé d'être d'abord un, parce que nous avons deux sortes d'associations. Nous avons le, le, et l'Anamis. Alors, le président avait suggéré au ministère des Forces armées, via la fondation, et les différentes associations à se réunir sur une table pour essayer de mettre en place un comité ad hoc. Et ce comité ad hoc-là, c'est depuis le mois de février que ce comité a été mis en place. Ce, a mis en place. Maintenant, euh, des résolutions se sont découlées. Il fallait maintenant euh, euh, mettre en exergue, ben, l'appliquer. pour l'appliquer, il y avait quatre points. Le premier point, savoir, c'était de s'unir, d'être un. Deuxième point, c'était par rapport à ces indemnisations. Le troisième point concernait les régimes sociaux du présent les 4% qu'ils nous avaient promis. Maintenant, pour le quatrième point, c'était l'insertion des, euh, des invalides qui sont jeunes, euh, ceux qui peuvent travailler pratiquement. Donc vous voyez qu'il y, a 4 points, mais parmi ces quatre points, le, le point 5, c'est le paiement actuellement des invalides. Alors, on avait promis de payer ça au plus tard le 10 décembre passé. Il s'est trouvé avec le ministre des Forces armées qui a convoqué cette réunion. Donc depuis ce, depuis depuis ce moment, euh, nous avons attendu. Alors après le 10, il y a eu euh, déroulement des paiements. Hmm. Maintenant, ils ont payé. Un moment, ils se sont arrêtés. Alors, on n'a pas encore reçu la suite. Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, ils ont commencé, ça a commencé, mais ils n'ont pas terminé pour l'instant. Maintenant, pour cela, pour cela, il faut dire une chose. Euh, ah, donc, par rapport à ces paiements, il faut dire une chose, hein, que, que euh, le nombre c'est 2338. Et si on calcule approximativement, ça veut dire que les, les, les, les, les, un tiers n'ont pas reçu, mais les deux tiers. Donc beaucoup ont reçu, beaucoup aussi n'ont pas reçu. C'est ça, que ça fait des problèmes au niveau des associations. Parce que beaucoup d'invalides n'ont pas jusqu'à présent, y compris les RTT et les, pensions mixtes. Maintenant, les pensions mixtes, il faut le dire, ce sont les gens qui n'ont pas fait 15 ans. Ah, il faudra bien décerner les choses. Les retraités, ceux qui ont fait carrière, donc ceux qui ont plus de 15 ans d'armée, ou bien à la gendarmerie, ou à la police. Maintenant, ceux qui n'ont pas la pension mixte, ceux qui ont la pension mixte sont ceux qui n'ont pas fait 15 ans d'armée. Donc 3 ans, 7 ans, 10 ans, moins de 15 ans. Alors ces gens-là aussi, ils ont commencé à les payer récemment, depuis le vendredi, mais à un moment donné, tout est arrêté. Donc présentement, on est dans ce dilemme. Euh, les retraités n'ont pas reçu, les, les, les, les, les aussi n'ont pas reçu leur, montant. Voilà donc la situation actuelle, de la, euh, euh, ce qui résulte de cette situation actuelle. Alors, est-ce que vous avez une oui, les plans d'action, on a déroulé plusieurs plans d'action. Mais vous savez, euh, les plans d'action qu'on peut mener nous en tant qu'invalides, c'est passer par les médias. À part les médias, c'est peut-être ce que les, jeunes disent, descendre sur le macadam. C'est-à-dire faire face, sortir, faire des marches. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, pour dire aux autorités que cela n'est pas la solution. Euh, euh, je disais tout à l'heure que par rapport au plan d'action, vous savez, nous n'avons que deux plans d'action qu'on peut mettre en place c'est-à-dire qu'on peut exécuter, c'est-à-dire parler aux médias ou bien descendre sur le terrain comme les gosses le disent, sur le macadam. Et en ce moment, il y aura confrontation forcément entre nous et les forces de l'ordre. Ça, vraiment, c'est ce On aimerait vraiment que la situation se et pour l'intérêt exclusif des du pays. Maintenant, ce que je dis en terminant, c'est de lancer encore une fois un appel au président de la République, son Excellence, le président Maxal, que la situation des invalides est là. Mais aussi, il faut penser à ceux qui sont à l'intérieur des forces Vous avez beaucoup fait pour gouvernement sénégalais. Maintenant, il faut assister ces invalides qui sont à l'intérieur, y compris même les veuves, parce que les veuves ont des enfants, euh, sont, euh, les veuves ont des enfants. Et en ce moment, il faudra nécessairement un appui important pour la suite ou bien par euh, la situation familiale. Donc je on à appel à présent de revenir sur tout ça, aider les invalides d'une manière globale, donc je m'adresse à tous les invalides, y compris les veuves. waouh maintenant suis nuyu à ñu nekk ci cellule départementale Je suis donc maa ngi tudd Mass donc le président invalide yi nga xam ne ñoo nekk zone sept nous bon Thiès la Diourbel Mbour ak ak Tivaouane donc ñooñu ñoo nekk ñoo xam ne maa ngi administré. voilà voilà donc tey li ñuy dajale fii mooy euh, euh, problème invalide militaire bi ndax fay boo xam ne indemnisation yi nga ndàmpaay bu ñu waroon jox militaire invalide ci Sénégal te loolu président Macky Sall ci baaxam moo ko doxal moo ne toog benn moment mu ne ah comme militaire yi mën a gisee nii. Euh, vraiment woon nañ leen taxaw ndax seen situation dafa précaire maanaam dafa demul noonu donc naa jéem a def effort mu mën leen satisfaire loolu nag bëgg boobu président waxoon dafa ci daf ko jàllale ci euh, ministère des forces armées mu ne nag bu mu koy def nañu fexe association yi xaajaloo nañu nekk benn kooku mooy premier point ñun ak waa RAMDIES mooy Grand Brassens ak ANAMIS ANAMIS mooy association nationale.

Euh, mën nañoo liggéeyaat am na suñu biir noo xam ne am nañ possibilité liggéeyaat parce que feebar nañu wala dara mais teewul bu ñu joxee liggéey ndax xel maa ngi fi peut-être kàttan bi moo leen mën a kii donc il y a des a liggéey encore waxoon bu jotee ñu fexe ñu ci boole te loolu bu mu amee nag li nga xam ne mooy ay jàmbat présentement mooy fay fay bi bu dafa dañoo wax ni commencé nañoo fay mais il s'est trouvé que. Euh, dafa am ñu jot am ñu jotu loolu nag mooy indi si sàkk bi léegi nag ñu ñaan président mu régler problème bi d'une bonne fois pour toutes te fay ñëpp muy pension mis comme ni retraité yi jotul mu def tuuti daal jot seen mandat moom laa koy ñaan di ko wax nañ ne mu bay mu boole ci ñi nga xam ne ñu ngi biir armée parce que ñi nekk biir armée su lu mel ni ndàmpaay jotee jotoo ci te yow ngay ngay liggéey toujours ko li am da ngaa war a def le maximum donc président li doon ñaan ci moom daal. bu amee bay euh, lii bu amee sama xalaat la nag dama koy ñaan su ma nee élargir fay bi ba ci nekk activité dana baax su ci dolli veuve militaire yi aussi mooy ñi nga xam ne seen jëkkër dañu amoon retraité am pension d'invalidité aussi mu jàppale leen fexe ba ñu jot ci ci ndàmpaay loolu daal en tout cas maa ngi koy laaj laaj président Macky Sall ah, di di ko wax ne ko vraiment c'est une affaire boo xam ne c'est très important pour ñun ñu daal ñu koy xaar ci côté mais li gën a jàmp daal mooy bi te mu loolu daal foofu daal